gaay gaay dañ ñu gazé eh taxaw leen taxaw gaase gaay gaase dañ ñu gazé doomu xaraam yi ñu ngi ñuy taxaw leen bougé wu ñu ndeyam grawul nañ taxaw nañu yóbbu ndey yëpp garde à nañu yóbbu garde à vue bëgg nañ nañu yóbbu yóbbu nañu yóbbu garde gaay foo leen di dem waaye nañ taxaw ndeyam nous ne sommes pas des terroristes les terroristes c'est eux qui menacent la France nous nous sommes là devant notre représentation il faut aller s'attaquer aux terroristes c'est pas nous c'est pas contre nous il faut qu'il faut venir s'attaquer les terroristes c'est eux qu'il faut aller attaquer ce moyen-là que vous avez c'est contre les terroristes pas contre des citoyens pacifiques pas contre des manifestants pacifiques vous tapez des manifestants pacifiques, c'est une honte. C'est une honte. Vous tapez des manifestants pacifiques. C'est une honte. C'est une honte. Vous tapez des manifestants pacifiques. Vous nous avez gazés, on n'a rien. Vous tapez des manifestants pacifiques. C'est ça la démocratie C'est ça respecter la loi en France Nous sommes violents Vous croyez qu'on va se laisser faire On va dégager votre pion de Macky de nos pays. On va le dégager de notre pays, ce fils de pute de Macky Sall que vous avez installé chez nous. On va le dégager de chez nous. On va le dégager de chez nous. Il va continuer à représenter la France ailleurs, pas chez nous. On va dégager ce fils de pute de Macky Sall que vous imposez chez nous. On va voir. On va voir si on va se laisser faire. On va voir. Gars, vous nous bougez. Vous nous bougez. Nous nous encerclez on va dégager votre marionnette de Macky que vous avez laissée chez nous là il est là pour servir la France on va le dégager de chez nous ça on va voir si ce pays nous appartient ou il vous appartient encore on va voir ça on va voir si le Sénégal appartient toujours à la France de fils de pute. dañ ñu gazé sama gaay <coughs> dañ ñu gazé dañoo toog ci suuf ñu ñëw gazé ñu ñun ñëpp kanamu consulat France lañ nekk ñu ngi ne la encerclé ñu ñu ngi nii ci digg dañoo encerclé.